dire aux Sénégalais aujourd'hui avec les grands chantiers entamés par l'État. Mais d'abord, c'est un sentiment de satisfaction par rapport au respect des délais. La dernière fois, en visite de chantier, l'entreprise nous avait annoncé avec l'âge que cet pont serait ouvert le 23 décembre. Et aujourd'hui, c'est chose faite. J'en profite pour féliciter l'ensemble des équipes qui ont eu à travailler donc, sur ce chantier autour de l'entreprise matière, mais aussi sous la supervision de Ageroute. Comme vous le savez, euh, cet autoport rentre dans une dynamique, dans un programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Et c'est un ensemble, en tout cas, d'initiatives promis réalisé par Monsieur le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent dans son volet infrastructure. Et pour améliorer la mobilité urbaine de Dakar, c'est sur plusieurs axes, plusieurs composantes sur lesquelles, donc, en tout cas, le ministère agit. Notamment, donc, il y a l'aménagement du territoire, vous le savez, avec le euh, euh, le transport des, des masses, euh, BRT et, et le qui, le terre qui sera livré dans le courant de l'année 2021, le BRT en 2022. Euh, euh, aussi, donc, il y a la régulation qui sera en tout cas réalisée en relation avec les forces de sécurité et de défense, mais aussi amener les populations à avoir un comportement surtout euh, par rapport donc au tracé de la route, par rapport donc au point de passage, etc. Donc, ce nous pouvons en tout cas magnifier, c'est le programme important de réalisation des, autoponts. Euh, euh, euh Cité a été mise en service, euh, Saint-Lazare a été mise en service. Aujourd'hui, c'est l'autopont de Yoff avec tous ces aménagements qui seront réalisés. Demain, ça sera donc Cité Lopatfal. Après-demain, ce sera ailleurs. Un important programme qui sera déroulé à l'échelle nationale. Et tout le mérite revient à tous les acteurs qui ont eu à intervenir dans la réalisation de ces ouvrages, mais aussi aux usagers qui ont eu à souffrir pendant plusieurs mois, en tout cas donc de ce, de au niveau, au niveau de Dakar. Mais nous pouvons constater qu'il y aura une nette amélioration avec la mise en service de cet autopan et des autres réalisations aussi qui auront lieu euh, ultérieurement. Euh, j'en profite pour féliciter aussi les ouvriers, tous les ouvriers tous les acteurs qui ont eu à travailler autour de ce chantier, mais aussi le transfert de technologie, puisque une bonne partie des ouvrages, surtout en termes de génie civil, cette partie-là a été réalisée ici au, Sénégal, euh, qui, a, qui, a, facilité le recrutement de plusieurs Sénégalais, contribuant ainsi donc, en tout à l'amélioration des conditions de vie de ces Sénégalais. Donc le programme les programmes vont se poursuivre pour euh, que Dakar davantage soit en tout cas aéré en, termes de, transport. et, cela, l'État va continuer effectivement à accompagner cette dynamique.

point bi nga xam ne tuddé tudde auto pont bu dana paré le 23 décembre tey jii yalla def na mu nek le 23 décembre ñu ñew couper ruban bi bu ñu paree fii léegi da ngay auto yi commencé daw mu nek lo xamni lo am solo la ci walum délai de réalisation lool nak bu amé dañ koy santé gërëm ak entreprise bi nga xamni momoko réaliser muy entreprise matière way ànd ci les services de l'état, état bu ñuy wax Ageroute entre autres

dans le cadre du plan Sénégal émergent tu vois defar yoon ak wàññum wàllum yokk mobilité urbaine au niveau des grandes euh, des grandes euh, donc agglomérations comme Dakar programme am solo lo gis ngeen dana permettre manam ñu changer flux yi gis ngeen transport loo les transports de masse manam le BRT am na dana jóg boobu jógee Guédiawaye dem ba Petersen dana paré fii 2022 le tr aussi dana maanaam yóbbu def transport bu am solo yóbbu nit ñi TER bi dana pare fii léegi deux mille muy jeex loolu yëpp bu ñu ko boolee dafa nekk programme bo xamni programme am solo te président de la République jagleel ko non seulement ma sax Dakar Ndiaye mais tout le Sénégal donc da na continuer inshallah rabbi pour que nit ñi sen nekkine mu gëna yokku am yokkute sen nekkine surtout ci walum amélioration ba effectivement donc de la mobilité urbaine ligéy nak am solo ñu ci ligéy bari nañu waxuma sax entreprise matière bi nga xam ni maanaam ci wàllum ci wàllum ci wàllum euh, transfert de technologie lu bëri fi lañ ko defaree maanaam génie civil bi béton yi bëri fi lañ ko defaree donc loolu dafa nekk lu am solo euh, di leen ci gërëmee bu baax di leen sant mais aussi di di gërëm ak sant ñi nga xam ne ñoo ci noonu liggéey tous les ouvriers tous les acteurs tous les ingénieurs yi nga xam ne liggéey nañu ci chantier bi mu nekk chantier bu am solo et eh, donc euh, yeneen yi dana pare fi léegi ay xëy na semaine yu néew bu neexee yàlla travaux euh, aient pu intervenir en, en, un temps vraiment record pour permettre euh, aujourd'hui euh, l'inauguration euh, de l'autopont de Yoff après euh, les deux précédentes inaugurations des autoponts de Cœur-Gorgui et de Saint-Lazare au début du mois. Ce projet a bénéficié de l'expertise et de la technologie innovante portée par l'entreprise Matière qui travaille également, on en a parlé sur d'autres projets d'autopont à Dakar et de ponts dans le reste du pays qui contribueront au désenclavement des territoires ruraux. Ce projet a bénéficié d'un soutien de la France à travers une garantie export accordée par le ministère de l'économie euh, français et par euh, BPI France euh, Assurance Export l'amélioration de la vie quotidienne des Dakarois à travers le renforcement de la mobilité urbaine fait partie des priorités de la coopération entre la France et le Sénégal et nous nous réjouissons que cet ouvrage y contribue, à la fois en améliorant les conditions de circulation et en aménageant euh, des espaces de détente, de sport pour améliorer euh, la vie des habitants. Je vous remercie. Merci, beaucoup.